ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax a baax tey nag dañu génn Dakar tey ñu euh, région de Fatick dëkk président Macky Sall fa lañ nekk mais seet suñu président Macky Sall <laughs> muy clair seet suñu seet suñu baax gis nga kaa yi ñooy daw noonu nag ba gis noonu ba tey bàyyeeguñu seen jikko bi <laughs> naa lu ci gars yi mën a waxaat rek moo gën quoi vraiment allure bi porte bagage bi gis ko noonu dara changé wul euh, mais vu que ne tey loolu moom suñu problème la waaye tey lool du suñu problème tey tey li ñu fii indi mooy euh, ay bëy yoo xam ne bëy yu yéeme bëy yoo xam ne ñu ngi koy yari fii ci Fatick ki nga xam ne moo ko yar di Mass Dieye ñëpp xam ko si élevage de chèvre de race muy chèvre yoo bu nekk nag euh, muy lu am solo ci wàllum euh, élevage moom si ay jafe-jafe am si ay ay yu bëree bëri yoo am na ci et bu ñu sañoon président Macky Sall bu ñu sañoon vraiment le ministre gën see teg loxo pour gën leen jàppale euh, pour gën si am lu lu gën a leer dañ ca taal micro ñu déglu ko. Nous ñu fait lay fay di euh, Mass président donc AFEM association faticoise des éleveurs de moutons et de chèvres bon ñu yëngatu ci wàllu élevage mais nos domaine de prédilection des chèvres d'art. Mhm. élevage de de chèvre euh, bëriwul Sénégal nuñ koy defee comme niñ koy defee ni peut que xam suñu et tout dinañuy yar côté côté Podor waaye yu mel euh, man personnellement c'est la première fois ma gis ko ku koy ku ci ku yëngu naka idée bon il faut dire d'abord que euh, 1996 dañu jumelé woon région Fatick ak région Poitou-Charentes temps Pierre Raffarin mo suis euh, kii président général bi euh, Ségolène Royal moo nekkoon conseil régional ba hmm. ñu jumale leen ci wàllu ñuy liggéey ci wàllu béy hmm. euh, yemale ko ci ñaari rek alpine ci benn alpine donc ça veut dire que déjà moment boobu un travail boo nous ñu hmm. suivre euh, déjà am nañu déjà ñun élevage bay buñ doon def yo xamné c'est des chèvres locales. Mm. mais avec euh, arrivée donc jumelage bobu nonu ñu commencé intéressé wu à d'autres types de chèvres yo xamné fenen lañ jóge mais ben rek lañ ci jotone xam moy la chèvre alpine bi nga xamné France la doon jóge. waaw donc fofu lañ démarré dal en tout cas petit à petit waaw. ci ngay ci ngay importer ay bay yi fi nek ni waaw en fait dañu taxawal benn association foofu. Hmm. association bi nak, ci alpine rek lay liggéey. la chèvre alpine. De euh, France lay jógee ñu nekk ci. ñu nekk ci di ci yëngatu ba mu non il faut quand même ñu dépasser chèvre alpine mais nag boo nekkee ci association mënoo ko dépasser parce que. base bi alpine la France lay jóge alors que ñun dañ bëggoon expérimenter yeneen xeeti chèvre yoo xam ne yenn yi pour ndawal la yenn yi pour meew la encore yeneen produit yoo xam ne day dérivé wu de la chèvre yu bare bare na ay xeeti produit am na ay saabu am na ay fromage yeneen ak yeneen ñu ne kon nañ jéem a expérimenter ji yeneen chèvre ci lañ commencé nag gëstu d'abord dans un premier temps def ci ay recherche découvrir yenn xeeti béy ñu commencé nag ndànk-ndànk di dem di andi d'abord Niger la ñu njëkkee di fa andi ñaar xeeti bay ñu wax rousse de Maradi ak sahélienne petit à petit ñu élargir ko Afrique du Sud andi fa ñett xeeti bay boo rep kalahari ak senen ensuite gëna élargir dem commencé andi ci xisaas yi yoo xam ñu ngi joggé Pakistan donc petit à petit non la amna aussi yenen xeeti bay comme Pyrénées yi Angora yo xam aussi ñu ngi koy dugal d'accord mhm. d'accord donc pays pays yi ngeen di yi ngeen di importer béy euh, Niger la Pakistan pour yi fi nekk fii wala euh, Niger Pakistan et France. Niger Pakistan et France pour le moment foofu le pays. Afrique du Sud bien sûr parce que Afrique du Sud mom, lu ci ñuy pays fini. Il que la ñuy te d'accord mhm. rousse de Maradi gars xaw nañ ko xam mhm. euh, pourquoi ngeen bëgg parce que Japon, nañu de Maradi am et tout yi waaw d' abord pour revenir un peu ci rousse de Maradi bi c' est vrai béy bu am meew la mais surtout béy bu nangoo bare doom la day dem ba 4 5 doom par porte euh, ba pare pot bi aussi der bi dafa nekk ci der bi gën ci der yi boo xoolee boo duggee dañ la naan dañ ko homologué sax di ko jaayee quatre pot bi waaw état bi aussi xam na ko parce que mos na ci importer 700 ñu basé woon ko Thiès. mais après distribution bi xëy na jaarul yoon wala en tout cas de façon ça n'a pas prospéré léegi nag ñun déjà boobu ñu dugg ci mhm. mais Russie bi loolu rek mooy particularité ñun on est allé vers d'autres particularités par exemple la sahélienne mhm. dafa am hauteur mhm. Nous, on a opté pour la sahélienne laitière donc dana andi béy hauteur mais en même temps elle est laitière da leen di andi comme par exemple gis nga fii tout à l'heure deux sahéliens ngay tacheté blanc bi day def 3 litres de lait par jour noir bi day def 4 litres de lait par jour ce qui fait donc les yooyu noonu suñu amé dom ak benen croissance bi day gaaw parce que am mais en même temps hauteur bi dana ñëw donc lolu moñu qui ci sahélienne bi maintenant boer red kalahari ça c'est la chair c'est des chèvres qui peuvent aller jusqu'à 135 kg 140 kilos euh, bu fekkee da nga ko destiné à la chair normalement à trois mois si c'est bien géré elle peut faire 25 kg kilos. Euh, maintenant si jëlee lu une hizazi, non seulement elle est chère mais elle est laitière. Hmm. la hizazi, boo jëlee le mâle y a des mâles qui ont 300 dañu dem kilos. Il y a des femelles qui font 6 litres de lait par jour par exemple femelle euh, poilue mhm. femelle elle fait 5 litres de lait par jour. le mâle bi euh, elle revient d'une convalescence euh, il revient d'une convalescence mais c'est un mâle qui a dépassé les 129 kilos. donc c'est un peu ça donc au bout de la caractéristique. Le ramener, ne Il la et puis aussi diversifier. Mhm. diversifier. maintenant en restant un peu quand même. Mhm. sur une ligne de conduite pour éviter ce qui est arrivé avec le laadum. Ah. d'accord mhm. c'est-à-dire mooy croisement yi non c'est-à-dire ce qui est arrivé avec le ladoum, c'est la spéculation sur les prix. d'accord ba mu dem le pouvoir d'achat sénégalais yi. Mhm. tey boo les sénégalais yi mën a jënd à un certain prix mhm. ñun pour éviter ça. on s'est fixé un seuil à ne pas franchir. on s'est dit que non il faut pas exagérer Le bëgg-bëgg animal boo ñëwee vers nous y a un prix boo xam ne duñ la ko parce qu'on se dit que buñ la ko c'est une façon de hausser le prix dana yegg niveau boo après on a mhm. c'est pourquoi on est un peu quand même raisonnable mhm. éviter un peu le maximum possible les spéculations jéem ko def bien genre prix fixe mhm. pratiquement tous ceux qui vendent le le les prix tournent entre minimum 600 000 maximum 900 000 le bord le Red Kalahari donc on sert à adulte si c'est les jeunes les prix tournent autour de 500 000 francs à la naissance voilà donc peut-être qu'avec un million on nañ un couple euh, tout le de chèvres. wa avec un million de nga démarrer. bon d'habitude nous on conseille aussi aux gens qui veulent démarrer de ne pas démarrer avec un couple. Mm-hmm. on leur conseille de démarrer avec une femelle adulte nous ñun ñu boole ak suñuy mal mu accouplé ko mu dem même s'il doit passer par un message pour une portée mhm. mais portée ba ca top bu fekkoon juddale na mal le problème est réglé mhm. bon moo gën jël un million investir ko ci des jeunes mu def 5 mois nga door a produire ñu on préfère nga jël benn 900000 investir ko une femelle peut-être même une femelle déjà gestante mhm. ou à défaut nga une femelle boo xam en tout cas adulte la ñu boole kook suñu mal mu accouplé ko nga yóbbu et tu avec ça en tout cas c'est ce qu'on conseille aux gens mais nag am na ñoo ils préfèrent prendre un jeune couple et puis dem ah, D'accord. D'accord. Il euh, euh, La sahélienne, La laitière, on a deux sahéliennes. Il a 4 litres, il y a 3 litres. Mais je précise que c'est l'exception. Mais la moindre, c'est 2 litres, 2 litres et demi hmm. pour les sahéliennes laitières. Pour les sahéliennes ordinaires, il 1 litre, 1 litre et demi. Mais la sahélienne laitière te fait facilement 2 litres et demi. Donc maintenant, on a des exceptions comme celle-là, bien mm. 4 litres, 3 litres. Et n'est pas pour rien que nous conservons l'aine. C'est parce que des exceptions que nous conservons l'aine. Mm-hmm. Maintenant que la moindre, c'est 2 litres et demi. Mais la hizazi peut facilement aller à 5 litres, 6 litres de lait par jour. Euh, quand elle est laitière. Je, je précise qu'il y a plusieurs variétés de hizazi. Moi, j'en connais déjà 12 variétés. Je mhm. parce que je sais mhm. Donc, euh, déjà, il y a des variétés lait, variétés chair, variétés poilues, variétés non poilues, cornées, non cornées, cornes ondulées, etc. etc. Mhm. Tout ça, c'est des variétés. Mais quand même, la variété laitière peut faire facilement 5 à 6 litres de lait par jour. D'accord. Ah. Cette euh, importation, est-ce que vous avez un éleveur Bon, pour dire vrai, non. Parce qu'en fait, c'est le fret qui est excessivement cher. Lors de la journée de l'élevage, euh, le président est passé à mon centre. On a échangé et j'ai eu à lui dire effectivement que ce qui, est très difficile avec nous, c'est le fret. Par exemple, fret, c'est 6 millions entre une et 30 chèvres de l'Afrique du Sud à là. les frais que tu as effectués le déplacement tout ça effectivement c'est ça qui explique que le prix est relativement encore cher mais bu que tout le monde travaille correctement. Mm-hmm. et qu'on aille vers la production. si mm-hmm. on forcément le prix va baisser. et c'est notre objectif c'est pourquoi nous encadrons toutes les personnes qui pour les aider quand même à développer ça. Mm-hmm. en fait on les aide pas nous nous aidons nous-mêmes parce que ki nga développer ce qui va se passer qu'il da a am possibilité de jël chèvre développer, nako produire ci. Hmm. mu la hmm. voilà donc aussi ñu koy ñu d'accord bu bu Sénégal est-ce que euh, yeneen climat adaptation la chèvre fait partie des animaux les plus faciles à gérer d'abord du point de vue alimentation li dundal benn xar hmm. dundal na fukki chèvre ça c'est automatique tu as pu le remarquer mes chèvres se nourrissent d'herbe hmm. ah, herbe uniquement et le soir tu mets quelques grains de maïs notre objectif aussi ce n'est pas destiné contre les minoteries, mais notre objectif c'est de ne pas vivre aussi la dictature des minoteries. c'est-à-dire dama dem ba nga xamante ne da nga jàpp ne béy bi bu lekkul bëgguma tudd benn aliment mais bu lekkul tel aliment tel aliment du dem et y a des gens qui ont ne dañ jàpp ne seen xar yi bu aliment duñ or il faut dire que même ngooñ c'est avec le colon Hmm. parce qu'avant avant le colon suñu xar yi dañ doon lekk te boobu gerte amu c'est pourquoi nous on est parti de l'alimentation locale. ñax bi nga xam ne sax dans l'environnement bobu la récolter. di len ko jox. Hmm. et en même temps aussi les le maïs bi nga xam dañ ko fi ki nga jël. Hmm. bu ci un peu de graines. maintenant euh, quand les chèvres arrivent au Sénégal. euh, une période buñu ci ça peut être difficile. s'ils arrivent au mois d'avril au mois de mai. pour les chèvres de chair pour les bowers les red kalahari dañuy sonn parce que chaleur bi day tang ci ñom té dañuy am poids dañuy fo leen fekk dañuy appart hmm. day laaj même de temps en temps nga leen di sotti ndox. Hmm. mais benn benn benn yoon boobu rek lañ koy dund. Hmm. buñ ko période boobu ba ko après c'est fini parce que la chèvre s'adapte très vite. par contre si tu as importé au mois de novembre décembre janvier février. là tu n'as aucun problème. si c'est des jeunes aussi amuñu ben problème waaw mais nak quand même période de chaleur mom au début les chèvres de chair dañu am quelques difficultés. d'accord ma ko jeexalee rek problème euh, exploitation bi parce que euh frais bi wax nga ko légui 6 millions bokul ak li nga jëndé bokul ak temps bi fo def ak yeneen frais yi nga xamanteni xeyna xëy kenn mënu ko tudd. Euh, côté wergu yaram bi ak yoy yooyu euh tay est-ce que exploité ko pour mën ci génn ndax mi ngi mi ngi am. waaw pour dire vrai. Euh, nous avons quand même ci côté moy. l'écoulement est trop facile. Hmm. l'écoulement de la chèvre est beaucoup plus, en tout cas à notre niveau, l'écoulement de la chèvre, parce qu'on fait d'autres races. Hmm. Nous faisons beaucoup de races d'animaux. Hmm. Mais écouler les chèvres, c'est plus facile pour nous que d'écouler les autres animaux. D'ailleurs, en fait, euh, la rousse de Maradi, on l'appelle la vache laitière du pauvre, à cause de n'importe qui m'a élevé. En même temps, n'importe qui m'a gagné rarement ngay gis ku jël béyam dem ci marché bi le soit ak béy bi a peut-être vraiment nga ñàkk bëgg a jaay lool lool mais en général ne nga ko donc c'est un aspect bu intéressant mais il faut dire que bu on veut aller vers une production de développement hmm ni mënuñu ko continuer di exploiter comme nous exploitons exploiter chèvre yi bàyyi muy taxawaalu fu ne mu mhm. donc il faut forcément les mettre en enclos les mettre euh, tëj leen etc. et là forcément ça va demander encore plus de moyens mhm. plus d'utilisation de ressources aussi de l'espace etc. cetera da ciy bokkaat mhm. mais nag euh, c'est pas très compliqué nit parce que tu as vu que mes chèvres ne sont pas en hauteur lañ beaucoup de gens te disent comment on peut élever des chèvres en hauteur et mes chèvres sont en hauteur. les gens disent aussi que beaucoup beaucoup taqué du hmm. Tu as constaté que mes chèvres, hmm. bon, en fait, euh, se, portent bien et pourtant, de les mettre en enclos. Donc, il y a qui la considération du top affaire là. Hmm. Maintenant, peut-être là où on peut vraiment nous aider, c'est encore une fois de plus au niveau de l'importation, mais surtout au niveau de l'alimentation. Alimentation, tant que mon cher, il y aura des difficultés. Maintenant, pour le vol, on a moins de problèmes que les éleveurs de moutons. chèvre brûle dul taxawaalu rarement la nit di pour ça. ko. Mhm. maintenant bi taxawaalu ça c'est autre chose c'est des larcins c'est des gosses du quartier qui le font. Mhm. mais quand c'est en enclos ni nit ni di waajale khar wajale ko nak mhm. duñ ko wajale quand même béy. waaw mais nak euh, quand même ça n'empêche que les chèvres peuvent être aussi être volées quoi. et ça c'est des difficultés quand même entre autres. d'accord mhm. d'accord Cheikh ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal baax a baax baax wax nga ko légui jafé jafé moy moy moy alimentation bi ñuy dundé ni lan la bii dafa melni ni bokkul ak ngogn may faral di gis dé non non bi liserne bi la. je précise que liserne bi ren lañ ko commencé jënd. Mhm. ñun on utilisait la paille de riz. bi jógee Rosso mais paille de riz bi. Euh, dafa pauvre on était obligé def ci tuuti xorom wala def ci touti euh, le truc du des cannes à sucre là damay fàtte tur bi donc yoy lañ ci doon def pour un voilà pour xaw ko enrichir touti, mais dafa pauvre ah, ñax local bi nak mo gën on souhaiterait que ñi jaay ñax fi gëna organiser wu gëna moderniser wu ba ñax yi ñu mun koy def sous forme de botte nga mun a xam ne quantité bii laa soxla par jour. Mhm. quantité bii laa soxla pour toute l'année nga ne ko jënd stocké ko. mais s'il vend ça en charrette parfois charrette bi fees parfois du fees c'est pas facile à gérer lolu quand même handicap quoi parce que quand l'élevage se modernise il faut que les vendeurs d'herbes les cultivateurs les agriculteurs tout le monde se modernise aussi petit à petit c'est important cette année on a expérimenté la lisane mais la lisane telle que c'est vendue aujourd'hui mhm. ça ne peut pas continuer parce que si tu as besoin par exemple d'utiliser presque 10 à 15 000 francs mhm. de lisane par jour pour tes chèvres mhm. ça risque d'impacter sur le prix des chèvres et on ne veut pas impacter sur le prix Les Les lisane on l'a expérimenté mais je ne pense pas que nous continuerons. sauf si toutefois nit ñi jéem nañu revoir le prix mais pour le moment le prix est excessivement cher voilà voilà ñu ngi lay jaajëfal baax a baax. ok allez merci ban contact lañ la mën a jotee pour ñi nga xam ne peut-être que bëgg nañ ci plus d'information ak yenn sujets yoo xam ne xëy na jotuñu ko jotuñu ko développer ci biir vidéo bi. bon nous on est basé déjà à Fatick. c'est notre zone de truc on est présent à Fatick à Diakhao et à Passy bon nos contacts c'est le 77. 650 77 560 05 77 560 0570 70 il a le 77 508 53 08 voilà et c'est disponible aussi sur WhatsApp ok merci